Euh, pour les résultats du, tournoi, il faut d'abord dire que ce sont des matchs amicaux, donc le plus important n'est pas le résultat, euh, mais c'est plutôt l'aspect préparation. Donc là, sur ce point, il n'y a que le, sélectionneur qui peut euh, donner un avis technique sur, sur le tournoi. Parce que le plus important, je le dis, n'est pas le résultat, mais c'est plutôt la préparation. Voilà, ça, si est-ce qu'on est dans les meilleures dispositions pour attaquer les éliminatoires de la Cannes 2023. Euh, euh, du moment où le tirage n'a pas été effectué, ce sera assez compliqué de parler de, chance parce que euh, tout dépendra, un, de la composition du groupe dans lequel tombera le Niger. on souhaite en tout cas que ce soit le plus clément possible. mais à côté de ça, à une génération, entre guillemets, nouvelle génération, qui prend les rênes euh, de l'équipe nationale. Il y a un vent de fraîcheur. Et encore une fois, euh, ça reste possible, une canne, mais euh, je veux bien rester dans la lucidité de, voir le tirage.